l'actualité en contenu gay actualité ñu à yéene victoire du Sénégal 4 buts à 0 Lamine Camara ak kii donc Pam Matar Ndiaye Tar Boy Thiès mën football du seeni premier but wax ci également li xam donc Sadio Mané aussi son centième ak aussi matchu Sénégal bi nga xam ne ñaari kanam la am surtout li nga xam deuxième période Sénégal ah gars yi donc Soudan du Sud mu nekk li nga xam donc mon premier match éliminatoire Coupe du Monde 2026 Aliou Cissé bi ñëpp doon xaar par rapport équipe bi comme je dis Soudan du Sud Nak, du Kangam, ma yaakaaroon nañ comme je dis rek Sénégal moom match bi da ko doon gagné loolu ñëpp amoon na ci tamit doon

Mané on a leen ko Sadio Mané nag mai 2012, hein, le le deux équipe nationale du Sénégal ba centième sélection il est donc le l'un des joueurs le deuxième joueur même le plus capé de l'équipe nationale du Sénégal derrière qui donc Idrissa Gana Gueye ngeen son image bi Sadio Mané avec son idole Sadio Mané nga référence Dit qui ki donc qui dit, El Hadji Ousseynou Diouf ndax El Hadji Diouf moom idole hein. donc l'autre Sadio Mané moo normal donc il a Diouf jox li nga xam donc sélection mais également qui nga xam donc passation de service bien passation de pouvoir on l'espère. espère diggante nga donc nag Idrissa Gana Gueye ak nga donc Lamine Lamine Laftiat Camara service bi hein, au niveau du milieu de terrain pouvoir également également a cinq bi bu fa Idrissa Gana Gueye on espère que ne kii Lamine Lamine Laftiat Camara moo ko wér moo tax donc aujourd'hui célébrer but la Lamine Camara mon son premier but première titularisation premier but du joueur formé à génération foot tey gars yi ñu dugal hein, donc joueur de génération foot également Jambar à côté avec également Idrissa Gana Gueye bi xam ñom ñu Ubi ubbi euh, buntu bi mais aussi ki nga qui ne mooy donc kii di Pape Matar Tar Boy Thiès mën football qui marque son premier but avec l'équipe nationale du Sénégal bi nak nag nak dañ leen jox histoire ndax nee naan dañ leen wax histoire moy le deuxième but le plus rapide de l'histoire du Sénégal euh, bi nga xam mom il a marqué en 40 secondes ki nga xam mo gëna a gaaw but C'est un certain Tassirou Diallo xam ngeen Tassirou Diallo men hein, entraîneur euh, joueur ancien joueur de ñaar ñaar ñaar de Pikina. mo duggal c'était en 1981 moom mi contre Maroc c'était à Gaï. 20 secondes 20 secondes, 22 secondes plus précisément la date de mais on espère Guy. Euh, récemment Inch'Allah bientôt voir le trio bouki du Pape Alassane Mercier à football ak Pape football au milieu de terrain on l'espère avec le futur de l'équipe nationale du Sénégal Sadio qui a marqué aujourd'hui également un doublé son 40e et 41e but avec bien entendu l'équipe donc équipe du Sénégal Sadio Mané meilleur buteur de l'histoire du Sénégal donc actuellement tey confirmé na confirmé avec également son centième sélection double na penalty Sadio Mané dit que yi ah changé côté il a changé côté léegi ni ah, lay donc c'est une bonne chose pour Sadio Mané maintenant également comme je dis 60e minutes c'est bon un match maîtrisé par le Sénégal mais à partir de là changement on n'a pas compris comprendre le changement sincèrement et aussi je n'ai pas compris que ne Nalle le Formose Mendy mën devant ki donc Noah Fadiga sur le poste d'arrière latéral parce que comme je dis Noah Fadiga tey tribune il est arrière latéral Formos Mendy est excellent le monde football maintenant, man y ko défendre. Donc, mais axe central, ce n'est pas un arrêt latéral. Qui a également, moi, Niakhad Ndiaye aussi, je n'ai pas compris. Niakhad Ndiaye titulaire, Niakhad Ndiaye capitaine avec 3, Niakhad Ndiaye, moi, boy, le boham, taille, waron, nous, mais, chance, tout le monde, nous, encore une fois. Mais comme je dis, c'est le sélectionneur, c'est c'est Alucise, donc, bis, beaucoup comprendre, moi, ou, diar, le football. Donc, quand tant que comprendre Alucise, nous, continuer, oui, nous, nous, football, ah, nous, continuer, quoi. On n'a pas vu ces Sénidien, récemment, jour du mois du côté de son club. Nous également yaou Et comme je dis, Edouard Mine n'a plus rien à prouver. Match, il y a un jour, c'est un jour, mais il temps de Parce qu'il y a un match qui est temps de parce que match crucial, il donne. Moriyaou, aussi, il aurait mérité d'être titulaire. Comme je dis, man, je n'ai rien contre qui a joué l'équipe nationale du Sénégal. Moi, je suis un peu Sénégalais, nous supporter. hein Mais, si nous regardons le football, moi, logique, la statistique, la euh, performance, la qui a donc actuellement Moriyaou, Sénidien, ils sont au devant, qui a donc beaucoup Edouard en matière de statistiques, bien entendu, mais l'équipe nationale, ben réalité là. Et comme je dis aujourd'hui, on a vu que le changement de la justice on n'a pas compris. Les joueurs, ils ne jouent pas leur poste, ils ben Abib Diallo def ko donc milieu de terrain ah, on a vu du n'importe quoi sincèrement par rapport au changement on a bien le moment ça comprendre 4-4-2 l'urgence mais tu ne comprends pas parce que jouer les joué une scène poste et là c'est autre chose c'est très dangereux pour l'équipe nationale du Sénégal on l'espère le plus important on a gagné gagné t'as a donné nañ 4 mais comme je dirais ah, c'est le Sénégal beaucoup de doon seetaan surtout deuxième mi-temps donc mën nga nelaw mën nga carrément parce que c'était du n'importe quoi sincèrement qui comme je dis on a gagné mais les changements on n'a pas compris et on aurait vu aimer gis yeneen jouer, quoi sincèrement et on n'a pas compris comment Formose peut être devant Noa Fadiga sur le poste d'arrière latéral je n'ai pas compris je ne peux pas également comprendre Iliman Ndiaye ba mu nekkee ba léegi mënuñu ko joué lu dëggantaan rôle am voilà y' a beaucoup de choses à dire donc moo ko gars yi nag yéen joxe leen seen xalaat na ngeen gisee match Sénégal bi ak classement ak changement LU Cissé yi woy leen di like woy leen di abonné on avance ensemble dans la magie des eSport TV de Baba Show jaa